honorable député Demba chère population de Tuawan, j'aimerais à l'entame de mes propos adresser de vives salutations à l'endroit de notre calife général Serigne Baba Mansour à l'endroit de ses frères, à l'endroit de toute la communauté musulmane de Tuawan et à l'endroit aussi de nos frères chrétiens. J'ai l'habitude de m'inspirer de Jean-Jacques Rousseau quand je pense à la démocratie. Mais aujourd'hui, je vais m'appuyer sur les propos de Martin Luther King avec son fameux rêve. Étant donné que lui ne détient pas le monopole du rêve, moi aussi j'ai le droit de rêver. Mhm. Mon rêve est celui de tous les Tuanois. Et ce rêve se traduit aujourd'hui à travers une ambition bien claire. Tous les Tuanois imbus de valeurs tous les Tuanois qui ne pensent qu'à construire leur ville n'ont qu'une seule ambition à travers aujourd'hui la personne de M. Demba Diopsi. Vous n'êtes pas sans savoir que devant tout le peuple sénégalais, je dirais même, j'ai levé le droit, le doigt pour dire que je suis candidat. Et cette candidature a été l'une des plus sérieuses, il faut le reconnaître. Mais en politique, il faut savoir faire les bonnes lectures. Comme je le disais tantôt, as aujourd'hui a besoin de ses fils. Tu a besoin de la synergie de toutes les forces pour sa reconstruction. Et je pense que nous qui sommes les acteurs politiques, ayant une vision, nous nous sommes dit, pourquoi pas Et cette interrogation résulte de notre volonté d'unir et de rassembler autour d'un homme que personne ne présente aujourd'hui. Monsieur Demba Diopsi, il s'agira avec vous de remplir pleinement à travers un programme dont je n'aurai le temps de décliner totalement, de dire tout simplement qu'il s'agit en fait de remplir pleinement les différents domaines de compétences transférés par l'État du Sénégal aux collectivités territoriales. Sans pour autant oublier le principe de subsidiarité qui pense que si c'est possible, il faut faire mieux que l'État. Et c'est ça une commune. Et je pense qu'il s'agira aussi de décliner un programme réfléchi, un programme bien planifié pour faire éclore l'économie populaire locale qui est un gage certain pour permettre aux jeunes de trouver de l'emploi et aux femmes de pouvoir relever leur niveau de vie. Aujourd'hui, il est donc tout à fait normal que nous tous constations que cette vision-là est incarnée par M. Dembo Diopsi. Donc, c'est tout à fait normal que nous ayons choisi l'expérience et l'espérance. M. Dembo Diopsi, en plantant des arbres, a effectivement planté l'espérance dans le cœur de beaucoup de Tuaonois. J'ai bien choisi le mot espérance, parce que l'espoir est un sentiment humain, mais l'espérance, au-delà d'un sentiment, fait appel aux efforts des uns et des autres. Aujourd'hui, nous devons baliser le chemin pour faciliter une victoire face à cette équipe municipale qui a plongé, plongé pendant sept ans dans un sommeil très, très, très profond. Nous avions choisi Demba Diopsi pour que les Tuanois au moins puissent retrouver le sourire, tant perdu par des années, je dirais, de laxisme, des années d'inefficacité. Il va falloir céder la place à d'autres. Il va falloir céder la place à une équipe autour de celui-là dont le bilan social n'est plus à démontrer et ne laisse personne indifférent. Je n'aurai pas le temps de faire une liste qui serait exhaustive, mais tout Tuawan accepte que des années durant, M. Demba et de manière désintéressée, s'est engagé auprès des Tuanois, surtout auprès des couches défavorisées. Donc nous pensons qu'avec son expérience, nous pourrons en fait faire de Tuawan la ville du futur, comme avait l'habitude de le dire Seigneur Abdou Al-Amin. Je pense que c'est Serigne Mansour qui l'avait baptisé Diopsi. Et Serigne, Serigne Al-Amin, après une grande satisfaction sur les actions qu'il ne cesse de mener, l'a rebaptisé et même l'a sponsoriser en disant Demba Diopsi Aïdara. Il est donc grand temps que nous nous donnions la main pour que enfin la commune de Tuawan puisse rayonner à travers le monde et à travers l'univers. Nous avons trouvé autour de vous des hommes de valeur et cette grille de qualité a été bien renforcée par d'autres gens qui sont venus encore une fois renforcer l'équipe. Je parlerai de mon ami et jeune frère, comme Mansour semble l'a bien présenté, Cheikh Ahmed Tidjan Sall. Mais je parlerai de quelqu'un qui devait depuis très longtemps être baptisé le lion du Cayor, je veux parler de mon grand frère, Cheikh Ahmed Jean Diouf. Et je n'oublierai pas le grand lion des réseaux sociaux, notre ami Lopez. Mais je n'oublierai pas non plus ces jeunes et ces femmes qui chaque jour s'activent rien que pour satisfaire leur famille, mais aussi pour hisser Tuawan haut la main au niveau du sommet. Donc, je pense qu'il est temps encore une fois que Tuawan puisse retrouver le sourire et que les grands projets qui sont dans le cœur de tout un chacun puissent être réalisés grâce à l'énergie que nous allons mobiliser autour de la personne de M. Demba Diopsi. ma wolof dama préféré digital français bi ndax xamna je ne wax wolof duma def discours ndax suma xol dafa fess lan motax moy ku ne ñun candidat lañu won en 2009 yalla dogal wuñu waye ñu am ay conseils yu bari ñu continuer nek ci liguey bi ndax booba temps tamit Tivaouane moko soxla won ba 2014 ba tay ji en 2021 ñu samp suñu candidature parce que lamb nañ suñu bop daj nañ suñu bop yek nañ ne nak ah, nous constituons la deuxième force ici à Tuaon. Oui, je le clame haut et fort. Nous constituons la deuxième force, bien évidemment. Et ce n'est pas la première fois ma wax ko ci ginnaaw ki nga ne Demba Nous sommes décliner programme bu saf Nous sommes teg ci seen ñu dem ba jamono ñu yëg ne a ah, gaa yaa ngay jéem a def ay pexe pour jéem a delsi kon ñu ne jamonoy sacrifice jot na kenn ku ne bëgg-bëgg ak personnel bëgg-bëgg bi nga xam ne amoon nga ko jot na nga teg ko ci suuf parce que am na loo xam ne nag soo ko bëggee daf la koy jaral lan lañu bëgg ku ne xam na ne Tiwaawan nekkatu ci ay loxo et du tay la ko mës wax depuis 7 ans man ngi koy yuuxu xëy na nag la nit ñi dem ba rendre compte ne Tivaouane kiko ko won comme j'ai l'habitude de le dire ay somnifère la jël pendant 7 ans xawma kan moko ko xëpp ndox mu tiit ci ay nelaw jog bo tiitee ci ay nelaw yeewu xamoo fo jëm yak fasu mam yeneen rôle bo riré rek ca marché ba nga wuti ko dajal mu daw

tan ki nga ne fi nek ay at ñun bañu ba tay dañ daan dégg gis dañ ko dégg ci Serigne Mansour daan ko dégg ci yi ko dégg ci bi muy taxaw kër yi di taxaw di di dimbali politique dafa nek tamit animation sociale ci la bokk te loolu la bilan social bi am buma ma nekkoon fii di ko lim ànduma ak moom toujours de waaye nag fa ñu fa ñu fu ñu nekk lu mu sori sori jëfam dinañu fa fekk ay teraangaam dinañ ko dégg boo yoree sa fas dañ ne bu ko jox ki ko bëgg jox ko ki mu bëgg te Tiwaawan kii la bëgg mooy Demba Diop ñun dañoo am gis-gis ñun dañoo am gis-gis ñun dañoo am gis-gis am seetlu am ràññee am xàmmee xam ni kii kat expérience boobu ñu naan am nañ ko ak xam-xam boobu ñuy njort ci ñun buñ ko jëlee boole ko ak li mu yore Tiwaawan dina romb fii lu sore sore sore sori sore ñun day gëm nañu ne kooku ñu naan mag la d'accord waaye mag moomu dem ba dikk moom la ñëpp di wër mag mu dem ba dikk am expérience dem fu ne tukki fu ne ci àdduna bi roofoonteeg ñu ne am xam-xam bu ne ci wàllum gestion municipale parce que <laughs> xam nañu ne du lu bees ci moom ndax ku mës a nekk adjoint au maire de Dakar am na loo ngaan naa yow

ci say moyen bop employé ay xalé di len fay ci sa doole kooku boné dina def Tivaouane ville verte soné dina relevé relever économie populaire locale soné dina dinaa marché yi defaraat len ba mu jag soo nee dinaa ay tali tax commencé nga ko yaangi ngi jël sa doole di défar ay piste soné nee dina romb fi. kuy borom xel ku ne dina ko nangu dina ko dégg té ñun lool dañ ko nangu moo tay ji ñi ñu andal. di ay jàmbaar ñoom ñëpp dañoo taxaw ne ma fii amuñu kenn ku ñuy waxal ku dul ànd ak honorable député Demba Diop Sy ñuy sant yàlla nag bi ñu ñëwee fekk ko mu nekk ak ay nit ñu baax ay nit de valeur ay nit de qualité mais li ci gën a neexati mooy ñu dégg ne am na ñoo xam ne ñëw nañu fekk ci ces de valeur là muy ki nga xam ne suñu xarit suñu doomu nday Cheikh Tidiane Sall ku ci ne ci ñom parcours bi nga yor bu ma ko doon tuddu fi yaakaar duñ fi jóge ñu ñew dégg ne mu ngi ak sunu mag ko xam ne ji waron nañ ko mëna tuddé bu yagg le lion du Kayor ndax taxawayam ci Tiwaawan ndax njambaram. ndax liggéey bu wër bi mu fi def dama waxon kérok feulé sama buntu kër ne bu doon mercato ma ne joueurs yu baax yaa ngi fi ndekete yoo yeneen joueurs yu leen gën a garaaw nag ñu ngi woon ci roq bi ñoom ñëpp war a ñëw ànd ku yor seen équipe championnat dajale fa Ronaldinho dajale fa Messi dajale fa Mbappé dajale fa Sadio dajale fa Neymar am coach nag boo xam ne expérience bi mu am kenn amu ko fi

xam nga lu ci gëna a neexam demi mi-temps quatre tas deux mi-temps quatre tas ñu ñëw fété suñu victoire tay bo gisé sama xol sedd moy dafa melni dama commencé jubilé ndax gis na né victoire baa ngi nii kanam ñun ñëpp waawon lañ dëkk li fi dox xam nañ ko li na ci xolu nit ñi xam nañ ko xam nga nit ñi lan lañu bëgg jël maire bi tek ko ci loxo Demba Diop si boole koog nag équipe municipale bu saf sap honorable député ànd nañoo yow bis ni ki tey sunu candidature teg nañ ko ci suuf ngir dooleel la pour li nga xam ne moom la Tivaouane bëgg li nga xam ne moom la nit ñi doon rêver mu mën a nekk une réalité foo joxoñ la ñuy xool foo aw fa la ñuy jaar boo nee tooy na ñu ne xepp boo nee saf na ñu ne sàpp boo nee surum le na ñu ne ba jolli ca kaw a kaw

dafa jot Tiwaawan siggi ndax commune boo xam ne depuis des années mënoo passé sept cent millions de budget daanaka ay communes yu ndaw comme yu toll ne ay Ourossogui ñoom ñoo ñu ëpp budget te Tiwaawan ñu koy tudd ci àdduna bi fu ne loolu yaakaar naa ni képp koo xam ne ci dëkk bi nga dëkk boo déggee loolu di nga sëgg mais incha allah ñun ñëpp dinañu ànd siggi ak honorable député Demba Diop Sy guddal na nak sama xol mo sedd waaye inshallah ngi leen di leen wax rendez-vous bu campagne bi commencé nañu loxo amatul nitu Momar amatul nitu Cheikh Diouf amatul nitu Cheikh Sall amatul nitu Lopez amatul nitu kenn ñun ñep dañuy li yor ñu jël ko ba mu